les premiers partenaires et les investisseurs de, de Outre Africa. Si j'ai un partenaire sûr et solide, c'est la presse nationale et la presse étrangère. Parce que ce sont nos, collaborateurs les plus proches pour passer la sensibilisation, les informations et les communications. Euh, vous représentez au moins 45% de l'investissement de l'autre Africa, donc c'est tout à fait normal, quand on célèbre les 15 ans de notre existence, qu'on puisse échanger avec vous par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons organisé un atelier sur euh, les nouvelles lois, euh, les nouvelles lois de la migration en Europe et les processus administratifs de régularisation dans certains pays en Europe. Mais avant de commencer, euh, Autre Africa a 15 ans, donc il faut qu'on innove, il faut qu'on avance un peu. Euh, le cabinet de Autre Africa a changé de logo et nous voulions vous présenter d'abord le logo et après introduire euh, une communication que va faire euh, José Naranjo, qui est le représentant de LPIS en Afrique de l'Ouest, qui est lauréat du prix Ubuntu du Forum international Europe-Afrique. Et là, nous avons le privilège de recevoir spécialement et particulièrement pour cette euh, célébration euh, Monsieur Luc André Diouf, euh, qui est député euh, parlementaire à l'Assemblée nationale de, l'Espagne. C'est le premier Africain noir à siéger au Parlement de, l'Union africaine de, de l'Espagne. Et donc, ce serait intéressant qu'on puisse comprendre aujourd'hui par rapport euh, aux nouvelles lois qui sont, que l'Espagne a changées, et effectivement dans une dynamique également européenne, comme vous le savez pour la France, comme vous le savez pour l'Italie, mais M. Diouf, qui parle parfaitement français, mais dans le cadre de la civilisation, veut s'exprimer en, Wolof et probablement en Sérère, et après les peuples vont, juger. Et de l'autre côté, bon, vous avez entendu le rapporteur de la rencontre. Et donc sans plus tarder, on... Euh, espagnol, euh, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il vit au 12 ans qu'il vit au Sénégal et qui partage le quotidien des Sénégalais et qui est très spécialisé en général euh, dans les informations, mais particulièrement sur la question de la migration. ce qui m'a frappé en José, affectueusement appelé Pépé, et que récemment, quand nous nous sommes vus à, à Cadiz de la Frontera, alors que moi je préparais mon discours, une grande partie de mon discours était axée pour rendre hommage euh, aux naufragés euh, de, la migration irrégulière. Euh, il m'a devancé au présidium, il m'a devancé par Loire et presque 80% de son discours s'est retrouvé dans mon discours. Donc cela m'a vraiment frappé et je dirais aujourd'hui, s'il y a un Espagnol sénégalisé, euh, aujourd'hui, au, au, Sénégal, euh, moi, je vais donner la, médaille à, à, pour ce qu'il est en train de faire. vraiment, je pense qu'il pourrait échanger avec nous euh, de son point de vue européen, adopté en Afrique et qui connaît l'Afrique plus que les, certains Africains. je pense que son mot à dire par rapport à ces lois, par rapport à cette législation, par rapport aux procédures est, est assez important. Et à ma droite, euh, j'associerai euh, la presse pour, euh, pour le remercier. Actuellement, en Espagne, il y a des sessions vraiment de budgétaires qui sont, qui sont en cours. Et quand nous avons échangé avec l'honorable député Luc André Diouf, qui est de Fadjou, qui euh, pour, être un peu plus élégant et, diplomatique, euh, nous sommes face à une conférence de presse. Sinon, j'allais dire, euh, comme l'époque regrettable de l'esclavitude, c'est mon esclave, mais je serai très courtois, très gentil pour dire que c'est un sujet sérieux hein. C'est le roi Paul qui est devant, il est devant son, son, son roi. Et ça, c'est la valeur de l'Afrique, la plaisanterie, le cousinage à plaisanterie. C'est l'une de nos valeurs culturelles que nous avons incarnées. Et Luc a fait énormément d'efforts, énormément d'efforts consentis pour venir participer avec nous, nous donner la quintessence. Comme vous le savez, une loi, c'est un esprit. Une loi, c'est une finesse. Une loi, c'est d'abord des discussions. Et comme vous le voyez en France, il a fallu trois passages et même euh, des, ministres ont démissionné pour faire passer cette loi aujourd'hui qu'on est en train de discuter. Donc euh, la quintessence, nous, nous allons débattre nous pouvons attaquer une loi, mais parfois, si nous ne savons pas la quintessence, la profondeur de cette loi-là, on peut être totalement erroné. Est-ce que la loi est positive ou la loi est négative Ce sont ceux-là qui ont été au fond de la construction, ceux-là qui ont été dans l'idée, dans l'esprit, qui ont accompagné le processus, tant dans les protocoles, tant dans l'écriture, tant dans les procédures de passation, dans les discussions nocturnes, dans les discussions du groupe parlementaire pour faire passer ces lois-là. Et on a la chance au Sénégal que nous avons un de nos compatriotes, un de nos fils qui fait partie de cela parce qu'il est parmi euh, les députés qui siègent pour la commission de la migration et des asiles et des réfugiés au niveau du Parlement espagnol. Je pense que ce n'est pas n'importe qui, je pense que c'est Et donc nous allons leur passer la parole. Nous avons voulu, nous, au niveau de Haute Africa, faire la jonction des deux. Si vous voyez bien, un Africain natif en Afrique qui vit en Europe avec des responsabilités en Europe et qui travaille sur les lois, les orientations à l'administration euh, euh, européenne. Et de l'autre côté, l'Afrique a adopté un, Européen comme son fils qui connaît bien l'Afrique, qui connaît les rois de l'Afrique, qui connaît les détails de l'Afrique. Chacun d'eux est émigré. L'eau est émigré là où il est, l'autre est émigré là où il est. Donc c'est la jonction des deux qu'on a voulu mettre en relief. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons partager avec eux leur sentiment de, la migration. Je vous remercie. Pour avoir organisé cette journée d'atelier, ça a été très intéressant. On a partagé beaucoup d'impressions par rapport à le sujet migratoire qui nous inquiète euh, à tous dans les dérives et que pour moi, ça a été un peu la colonne vertébrale de, ma carrière professionnelle et de ma vie, de, couvrir l'effet migratoire entre, entre l'Espagne et, l'Afrique. Donc euh, voilà, je ne vais pas trop durer, juste euh, vous, dire quelques, quelques impressions, quelques mots. Euh, d'abord, s'il y a une date dans ma vie qui, m'a, que, je ne vais jamais oublier, c'est le 26 juillet 1999. Euh, ce jour-là, moi j'étais un jeune journaliste qui travaillait aux îles Canaries en Espagne. Euh, et, c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu neuf cadavres euh, jetés dans la quête de pêche d'un port de Fuerteventura, d'une île euh, chez moi aux îles Canaries. C'était neuf euh, jeunes euh, africains qui sont morts euh, la première fois qu'il y a eu un naufrage euh, des migrants aux îles Canaries. Ça fait presque 24 ans de ça. Et après, pendant toutes ces années-là, j'ai arrêté de compter le nombre de, jeunes gens que j'ai vu mourir dans les plages, dans les eaux de chez moi de, de ma terre eh, natale. Et eh, ce jour-là, le 26 juillet 1999, je, je me suis dit qu'il faut trouver un sens à, la vie, chacun doit trouver un sens à sa vie. Et pour moi, c'était d'essayer de raconter ce phénomène et aussi de, voilà, de pousser pour empêcher que ça continue. Eh, vraiment, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans la route euh, atlantique, dans la route euh, des migrants vers les îles Canaries. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rester tranquille ou dans l'indifférence, euh, parce que ça continue. L'année 2023, ça a été vraiment meurtrière dans, dans, dans l'océan. Et je pense que l'Espagne, eh, en tant que pays d'accueil ou, d'arrivée. Et eh, le Sénégal, en tant que pays d'origine, doit faire tout ce qui est possible pour eh, freiner cette, cette vraiment tous ces gens qui sont en train de mourir dans la mer. Et, voilà, dans ces 24 ans de travail, il y il y a deux ou trois conclusión la que je suis arrivé, que je veux partager avec vous, la primera c'est que la migración d'abord c'est un phénomène natural, que el can l'a dit aujourd'hui ici, c'est un phénomène qui est ancré dans l'histoire, depuis que l'être humain est là, il y a eh, la migración, donc c'est eh, pas quelque chose d'extraordinaire ou de bizarre, no, la migración ça fait partie de l'histoire de l'humanité, Et eh, on ne peut pas comprendre des pays comme l'Allemagne, l'Argentine, les États-Unis, même l'Espagne, sans l'apport des de migrants ou sans le fait de que nous, en tant qu'Européens, on a aussi migré quand il y a eu des problèmes chez nous. Donc euh, c'est quelque chose qui est aussi dans notre ADN. Ce n'est pas un phénomène qui est exclusif euh, de, des Africains, c'est un phénomène vraiment mondial. Mais si on regarde une pirogue au milieu de la mer avec 150, 200, 250 jeunes, il faut d'abord se, se, poser une question. Pourquoi tous ces gens sont là Il y a beaucoup de raisons. Vous connaissez beaucoup parmi elles, des raisons structurelles qui regardent vers l'Afrique. Mais il y a aussi des raisons très puissantes qui regardent vers l'Europe. Et moi, je vais dire une chose. Une des raisons pour trouver des gens qui sont dans des pirogues en train de mourir, ça, c'est lié à la législation européenne. Nous avons un cadre, cadre juridique qui empêche les gens d'aller en avion ou d'avoir une visa pour venir chez, chez nous. Moi, quand j'ai décidé d'émigrer euh, au Sénégal, ça fait 12 ans, je n'ai pas eu besoin de visa. Et moi, je peux bouger dans beaucoup de pays africains, je demande une visa, jamais j'ai eu un rejet. Bon, seulement une fois, mais ça c'est une autre question. Mais je peux bouger en Afrique. Pourquoi les Africains ils sont empêchés d'aller en Europe Pourquoi il y a cette politique restrictive de visa Et ça, c'est la première chose qu'on doit toucher. On doit, entre l'Europe en général, l'Espagne en particulier, et entre l'Afrique et le Sénégal, nous tous, nous asseoir et revoir les politiques, les cadres juridiques, les politiques de visa et ouvrir des portes légales, des voies légales et sûres pour que les gens puissent voyager, pour que les gens puissent migrer si c'est son, son, intention. Eh, Donc, à, eh, mon avis, ça c'est une des premières choses. Et aujourd'hui, l'Europe est un peu installée dans la peur, il y a l'extrême droit qui monte dans beaucoup de pays. On a, on a discuté aujourd'hui sur ces questions ici dans cette salle. Et, et ça, des, options politiques qui sont en train de, faire, de, profiter de, la peur des gens. De, voilà, et ça, il y, a, il y a des conséquences. Aujourd'hui, les lois de migration européennes sont en train de s'endurcir un peu plus. Donc euh, on voit qu'en France, même en France, tout récemment, vous avez vu, le, gouvernement français a essayé de, faire des lois qui sont vraiment exclusives. Et je pense que nous, les Européens, on doit comprendre qu'il faut d'abord changer ce cadre juridique et essayer de, pousser pour empêcher les morts euh, dans la mer. Donc euh, voilà, ça c'est un peu les... avec qui j'ai acheminé à travailler quand j'assumais la responsabilité de conseil dans les centres d'information pour les travailleurs immigrés, vers 1996. On est vieux, hein. On est vieux. On avait commencé à travailler. Donc, je suis là au Sénégal, c'est la première fois que je suis face à la presse sénégalaise. Permettez-moi aussi de vous remercier parce que vous êtes les gens qui peuvent transmettre des messages la population du Sénégal. J'aimerais bien aimer parler en sérère, parce que pas mal de nos parents qui viennent aux îles, la majeure partie viennent des îles du Salou. Mais comme je suis sénégalais et la langue, notre langue préférée est parlée sur le Wolof, j'ai essayé dans un Wolof sérère, en mélangeant aussi du français, transmettre le message des changements de loi qui ont eu en Espagne.

def ay atelier war a génne ay conclusion conclusion yi war a yegg ci gouvernement Espagne war a yegg ci gouvernement Sénégal pour ñu éviter li Pepe doon wax nit ñi dee ci géej gi nit ñi nga xam ne ne am nañu droit genn dëkk bi war a dem liggéey en Europe et plus particulièrement en Espagne kenn waxul ne kenn du genn

am na dëkk yoo xam ne au niveau de l'euro, figurez-vous dañoo d'accord a bañ a jël ay immigré ci condition immigré bu nekk d'accord nañu fay vingt mille euros pour bañ a jël immigré vous vous imaginez du ma tudd dëkk yooyu parce que aussi bëgguma créer des problèmes au gouvernement d'Espagne mais boo leen duggee ci information yi am na dëkk yoo xam ne ne boo leen ñëw ne da ngaa war a jël dix immigrés dañuy jël 10 immigrés vous' bu que 20 000 euros fait pour l'Union européenne pour 10 immigrés yooyu ñu dugg ci imaginez-vous on est en train de nous changer avec de l'argent mais ñun waa Espagne beaucoup ci loolu pourquoi parce que on est au sud de l'Europe on a la frontière avec le continent africain ñun ci li ñuy liggéey moom veiller sur les droits humains Sénégal war na gën a rataxal digganteem ak Espagne te lii may wax immigré espagnol yi nekk Espagne dañ koy dëgëral li Espagne war a muñ ak li mu mun a muñal ay immigré yu jógee Amérique latine wala jóge Afrique bariwul dëkk yoo xam ne ne nanguñ nañ ko immigré figurez-vous qu'on a une loi organique la loi organique pour la réformer il faudrait nécessairement deux tiers députés pour nous nous changer. changer le parlement actuellement on n'a pas la possibilité de péper les mu avec l'extrême droite en Espagne beaucoup nous ci qui nous les socialistes nous gouvernons en Espagne depuis 2019 Si nous pouvons pour nous rattacher, pour immigrer nous on est obligé de petits règlements. règlement loi bi changer vous article pour au moins assister immigré on a déjà pensé aux jeunes aux mineurs parce que le gouvernement bi fa à droite mineurs yi dañ ton centre c'est vrai dañ les ont mais vous nous génnee duñu am la plupart du temps à 18 ans entre 18 ans et 23 ans adolescents

ku yaakaar ne sa doom xale bu ndaw da nga koy dugal gaal pour mu dem liggéey di war di yónni nax nga sa bopp en Europe et en Espagne pour nga commencer liggéey il faut le faire à l'âge de 18 ans à l'âge de 18 ans donc ku yaakaar ne boo dugalee sa doom ci sa doom nekk ci Espagne dina mun a liggéey bu yónnee la xaalis xaalis ça ça ne se fera pas donc, le coup de flot, c'est y a hypothéqué ce futur le Puis, les majeurs, on a pensé à eux, parce que tu l'ouabi, à quoi droite, l'union instaure au monde que immigré Boufanek, on a fait 50 ans pour l'amener. Nous, nous, nous gouverner, nous avons 3 ans, tu changement de loi, de euh, règlement, mais aussi, tu as 2 ans. Nous avons fait des gens dañ leen waxoon ne étudiant étudiant bu jeexalee moom dafa war a ñëw dellu ci dëkk bi ñu xool ne master donc nous, xalaat nañ ne war nañu mën liggéey ci Espagne ñooñu bu fekkee ne jeexal nañ seen stage entreprise fi ñu liggéey soxla leen dañ fay toog ñu jox résidence bu deux ans aussi yombal nañu regroupement familial ñi nga xam ne dañu am seen jëkkër seen doom yi seen papa yi ak seen yaay yi pour buñ leen indi xaalis bi ñu leen doon laaj wàññi nañ ko mais aussi ñu xam loo nit yi ne ku fa nekk yor ay kayit pour nga mun a indi nit il faudrait de nécessairement nga am séjour deux ans te ci biir indi sa waa famille seulement papa la à l'âge de 65 ans say doom à l'âge de 18 ans sa jabar wala sa jëkkër âge bu munti nekk boo wonee ne réel na seen mariage mun nga koo indi aussi ci biir rafetaayu liggéey Espagne yombal na Sénégal yi nga xam ne dañoo liggéey retraite pour ñoom ñu mun a fayeeku seen retraite à partir du Sénégal amuñu woon convention boobu convention boobu léegi sax na donc munoon naa toog fii di lim

dans le cadre de la construction, services domestiques, hôtellerie, agriculture agriculture par exemple ay soudures métallique exemple les rek laay joxe Espagne les soxla les liggéeykat ci envoyé au gouvernement du Sénégal ne ne dafa pas donc nous avons sélectionner et travailler dans ces secteurs pour nous donner. La plupart du temps, nous demandons un visa, nous Mais ce qui nous ont que pour beaucoup de sélection, au en Espagne, il y une résidence de 4 ans. Condition pour maintenir cette résidence, c'est que vous faites vous avez pour 6 mois, 9 mois ou 3 mois, vous avez pour vous dire que vous avez le deuxième année, nous avons la troisième année, la même chose. La quatrième année, vous a une résidence de 5 ans. Je donnais l'exemple du Maroc. Nestor Mohamed Sanko aussi. Plus de 15 000 personnes d'Ao. ont été dans cette immigration circulaire. Nous avons des Sénégal qui nous avons évité Éviter pour nous dire le Gali. Et si quatrième année, des gens qui nous avons une situation régulière moy wax ne immigration comme ni ko Beppe waxee day continuer di ça. mais vous may une ci conférence en Europe même aux États-Unis je dis toujours la même chose il est temps qu'on s'organise nous les Africains il faut que nous nous mu organiser wu une Union européenne redéfinir la politique d'immigration Nous, na ne bu la day jënd euh, euh, billet d'avion ak passeport am dugg te du am problème te sénégalais bu buggee dem wala des difficultés pour déposer visa tant qu'il n'y a pas une organisation au sein de l'Union africaine pour redéfinir la politique d'immigration et d'asile s'asseoir au même pied d'égalité avec l'Union européenne dara du et je termine qu'il de ma wax avant ngeen nous avons été le berceau de l'humanité. Et nous sommes le futur du monde. xam ngeen fait en Europe en Amérique du Nord en Amérique latine les ressources humaines amatuñu ay mag amatuñu ay xale Nous ay maintenir leur bien-être social leur bien-être social donc nous, les Africains c'est la jeunesse et c'est cette jeunesse qui est en train de périr dans les océans il est temps qu'on s'organise il est temps que l'Afrique s'organise et puisse s'asseoir autour d'une table et définir le futur de nos jeunes enfants ku Europe sur le champ

Voilà, Degna. ça fait 32 ans que je suis en Espagne tu 32 ans sans exagérer il y a un témoin il y a un autre témoin ça fait presque 28 ans que immigration est je suis le secrétaire d'immigration du Parti socialiste et des réfugiés du Parti socialiste niveau national est Espagne je suis le porte-parole du Parti socialiste à l'Assemblée nationale je suis à la commission vocale à la commission de coopération commission du budget d'Espagne et le président de l'Union pour le Méditerranée Je ngi ko wax Aliou Dam aussi ne war nañu pour pour Sénégal bokk bien vrai que nous sommes union ci ci ci Méditerranée bi ñu bokk ci parce que euh, Mauritanie un ngi ci biir et nous débattre dans le cadre économique dans le cadre de l'immigration dans le cadre social et surtout, il y a des fonds européens pour pouvoir, faire des choses au Sénégal. C'est la première fois aussi, mais il y a avec les moyens de communication. Nous devons faire nous demandons à l'État du Sénégal de se déployer dans le cadre de la diplomatie pour intégrer les pays de la Méditerranée, le de la Méditerranée. C'est bien ça. Parce que le Sénégal a une place, a un pays voisin qui est à l'autre côté, D'où té avantage na Sénégal donc j'appelle les ah, nous à xam ni si résolution bi fi am moy ni que le Sénégal intégrer euh, le pacte de la Méditerranée. Hein? l'assemblée l'assemblée de l'union pour la Méditerranée l'assemblée de l'union pour la Méditerranée l'assemblée de l'union pour la Méditerranée donc il est assez important Qu'à la sortie de nos ateliers et de nos travaux il a été noté et d'après les informations exploitées, qu'il y a l'Assemblée de l'Union pour la Méditerranée, qui regroupe les pays de la Méditerranée, plus, plus maintenant la Mauritanie.